No, no, yo, yo, yo sé mover. wolof wolof wolof wolof waay c'est bon

am na ouvrage yoo xam ne dafa amoon ay ay ay dafa bouché woon ndax souvent bu taw bi ñëwee ruissellement bi day indaale saleté yi indaale mbalit yi këpp ci kii yi yooyu bouché ko ñu indi équipe bu ONAS ñu jël engin yi ñu dem rapidement ma ni leen nañ ko débouché balaa ñu fay jógee ñaari exutoire ya fa nekk yëpp ñu defar ko ba nga xam ne ndox mi ba ñu fay jógee commencé na di dem ñu jóge fa dem aussi à à Mbao le marigot de mbaaw xam ngeen ni rôle bu am am solo lay joué ci euh, xeex contre les inondations fii surtout ci banlieue bi Kër Massar di ko wër bi ñu yeggee ci marigot de mbaaw bi gis nañu itam ni dafa amoon malheureusement problème parce que ndox yi buy ñëw day indaale saleté yi ak ay mode de terre ak ñax bi nga xam ne mu ngi ci ba bouché woon ko ndox mi mënul jàll tey bëri na jafe-jafe yu ñu am fii ci Kër Massar ci Camille Basse euh, ci El ji Pathé ak yooyu yëpp jafe-jafe bi mooy marigot bi ndox mi war a jógee Kër Massar dem ba ci marigot bi moo bari fu mu fat donc loolu moo doon tey li tax ñu yàgg fii si terrain bi ñu retrouver ko foofu Ah, mbaaw indi nañu engins yi ba mu dindi salte bi ba ma fay dem ndox maa ngi commencé di dem mais comme population bi ñëwoon nañu fa di ñu dimbali ñu jël aussi ay moto pompe jox leen ko pour que yi ndox mi demee ba jeex ñoom ñu dugg ci biir kër yi daal di koy pompeel euh, nit ñi wàññi euh, jafe-jafe yi bi ñu fa jógee itam euh, ñu ñëw dugg fii ci Kër Massar Kër Massar itam dañu ñëw xool yoonu ndox mi parce que dem nañu xool Kami Baas ak Alaaji Paate gis jafe yi fa nekk ndox mi fees na fa dell mais ñu gis ni ndox mi bu dowoon ni mu war a dowee xëy na du am problème Euh, circuit bi comme demoon nañu ci marigot ba foofu lay génne dem ci géej gi ñu ñëw fi mu commencé wër ko fii may wax ak yéen ñu ngi ci biir forêt de euh, forêt de mbaaw bi mooy àll bi nga xam ni réseau bi li ci bari ci la jaar moo am ay ouvrage yoo xam ni ADM moo ko fi réalisé woon ay bassin yoo xam ne bu ci nekk danga lëkkaloo ak sa morom fii ñu taxaw dañu ñëw fekk fii tam mu amoon problème boo xam ni obstruction la comme ni ma ko waxee bu tawee ñaari taw rek mbalit yi dafay ñëw dugg ci ak problème de curage ñu indi ko débouché ko ba ndox mi mën a wal Mais ñu ne comme ndox pour libérer rapidement ñu York capacité de pompage Vous taxaw li ngeen di pompe de grande puissance 500 mètres cubes euh, nous ñu fi euh, monté réseau bi di renforcer fii may wax benn bi euh, réseau rapidement Nous ak pompé nous ay waxtu nous ni euh, lu

cinquante moto pompe yoo xam ne fépp fu ñu dem joxe nañ fii juróom joxe nañ fii fukk joxe nañ fi fukk ak juróom ainsi de suite te noonu lañ koy jàppoo am na yeneen moto pompe yoo xam ne itam mobilisé nañ ko danañu fexe dugal ko jox ko nit ñi pour que bu sapeur pompier yi ñoom ma leen di félicité ci liggéey bu am solo bi ñu def ñoom ñu demee ba libéré mbedd yi nit ñi dugg ci kër yi daal di koy pompe ndox bi génn comme ça ñu soulager population bi loolu mooy li nga xam ne tey moo ñu indi fii bu ñu jógee fii am na yeneen gox yu ñu desee fu ñu ci dem rek sans frontière nit ñi euh, gërëm leen sant leen masawu leen coono yi problème yi état bi mu ngi seen wet bu dégg bëccëg suba saa ñu soxla rek ñun on sera à côté pour jàppale leen. mais lan ngeen di réserver aussi euh, quartier bu euh, waaw yooyu yëpp bokk na ci ñuy dem xam nga avant sax nawet bi di commencé dañu defoon tour fu ci ne ñu xool fa jafe-jafe yi lii boo gisee sax xëy ne mënoon naa gën a metti fii xam nga nag bu nit nekkee ci jafe-jafe doo ko xeeb benn yoon lii am metti na. mais dañuy jàpp ni ni ñu anticiper woon ci curage yu canaux yi ba ci sax journée nationale de nettoiement yi ñu defoon ak dispositif de pompage yi nga xam ne teel lañ ko teg bokk na ci li tax ni mu gënoon xat mettee xëy na wàññeeku na surtout sax ampleur bi fi nga xam ne fépp waroon na ko laal mais lii am rek bari na ba nga xam ne moo tax taxawaay bi ñu am tout au long la journée zones yi nga wax itam da nga xam ni amagul ay ouvrage d' assainissement yu tax ñuy wax euh, dispositif sapeur pompier moo ko ci bassin yi ak nga xam ne nekk

à l'endroit de nos concitoyens qui sont aujourd'hui en difficulté. Euh, il est tombé euh, beaucoup de pluie ici à Dakar euh, et aussi dans les autres régions du Sénégal. Je l'avais annoncé avant même l'hivernage en disant qu'on irait vers un hivernage qui serait assez pluvieux avec même des phénomènes extrêmes. Ces phénomènes extrêmes, nous sommes en train de les constater. Ils ne sont pas arrivés au mois d'août, au moment où tout le monde les attendait. Ils sont en train d'arriver au mois de septembre et peut-être même au début du mois d'octobre. Donc les pluies ne sont pas terminées, la météo annonce qu'il y en aura encore. Aujourd'hui, avec les pluies qui sont tombées hier, où il y en a eu beaucoup, rien qu'à Dakar, on a eu 145 mm. Dans certaines zones de Dakar, il y en a eu même plus. À chaque fois qu'il en tombe, autant ça crée des difficultés. Alors euh, nous sommes ici dans la forêt de Mbao, tout juste derrière nous, c'est Kermassar. Kermassar avec beaucoup de difficultés, notamment à Aladjipate, à, à Kamibas et aussi dans d'autres zones de Kermassar. Et ce que nous sommes venus faire, c'était d'abord de trouver le problème. Pourquoi le niveau d'écoulement n'a pas été à son optimum et nous avons constaté effectivement, comme nous avions ces informations dès hier soir, ce matin on est allé directement euh, vers euh, d'abord euh, la, cité Cypress de Zagmbaou pour voir également les problèmes qu'il a, qu'il y a eu à ce niveau. Séance tenante et sur site, nous avons observé qu'il y avait des problèmes de, de, saturation des canalisations parce que le ruissellement des eaux a drainé des déchets vers les égouts, vers les exutoires qui ont été bouchés. Et on avait immédiatement sur place mobilisé les équipes de l'ONAS avec des engins pour les déboucher. On a eu un résultat assez satisfaisant là-bas. De là-bas, nous sommes allés à Mbao, au marigot de Mbao, qui joue un rôle de premier plan dans le, drainage des eaux pluviales vers la mer, parce que toutes les eaux de la banlieue autour de Kermassar sont drainées à, travers cette forêt de Mbao par ce marigot par une série de bassins de rétention qui ont été construits pour déboucher sur le marigot de Mbao et aller vers la mer. Et nous avions constaté ce matin que le marigot aussi était obstrué par des saletés qui ont été charriées par euh, les eaux de ruissellement. Et séance tenante, les engins ont été mobilisés pour euh, nettoyer l'exutoire, ce qui a été fait. Et de là-bas, nous sommes revenus ici au niveau de la forêt de Mbao pour constater aussi que les ouvrages de drainage ont connu aussi des difficultés liées au même phénomène de ces déchets solides qui obstruent les canalisations. Et là, en plus du dispositif euh, euh, qui était déjà sur place, nous sommes en train d'installer avec les équipes de l'ADM, parce que c'est tout le dispositif de lutte contre les inondations que nous avons mobilisé. Il y a trois nouvelles pompes euh, de 500 mètres cubes qui sont en train d'être installées, qui vont se rajouter au réseau existant. Et on nous signale déjà que, suite au démarrage de la première motopompe, derrière nous, vers Kermassa, l'eau commence progressivement à baisser. Et si c'est trois correctement dans les prochaines heures, nous espérons avoir des résultats assez significatifs. Et c'est cela le, la même approche que nous allons développer un peu partout. Et euh, aussi pour renforcer nos moyens d'intervention, nous avons sollicité l'appui euh, des populations, des communautés. Et c'est le lieu peut-être aussi de, de les féliciter non seulement d'encourager les sinistrés qui sont dans les difficultés, de redire notre solidarité, mais de remercier ces mêmes sinistrés, surtout les jeunes qui sont dans les quartiers parce qu'ils ne se sont pas seulement plaints en disant qu'on est dans les eaux, ils ont dit effectivement qu'en ayant le matériel nécessaire, ils aideraient. Et c'est pour ça que depuis ce matin, nous avons distribué une cinquantaine de, motopompes de petite euh, puissance, 80 mètres cubes, ce qui peut permettre de rentrer dans les maisons pour pomper les eaux et les reverser sur les, les rues principales. Et de là-bas, les sapeurs-pompiers les pomperont aussi pour les jeter vers les canalisations. Donc on va continuer le travail jusqu'à certainement ce soir. Nous allons visiter d'autres quartiers de Dakar pour apporter notre solidarité. Et j'ai aussi d'ailleurs euh, contacté ma collègue, Madame le ministre en charge de la solidarité, pour qu'à son niveau également, ses équipes fassent le travail nécessaire dans les quartiers pour identifier les populations qui sont vraiment dans le désarroi. Parce que lorsque les quartiers sont remplis d'eau et qu'on ne peut pas sortir, on va aller faire le travail au marché. Quelquefois, on peut avoir des difficultés pour, euh, pour les denrées pour la nourriture. Donc, sans doute, le ministère de la Solidarité va aussi prendre le relais pour aussi aider nos, concitoyens qui sont dans des, difficultés de cette nature. Donc c'est vraiment ce que nous sommes en train de dire, c'est vraiment un point d'étape au, point où nous en sommes. Nous allons continuer sur le terrain, aller euh, sans doute retourner à Kermassar. Après le déclenchement de ces pompes, nous irons voir les premiers effets et de là-bas nous allons continuer un peu plus loin dans la banlieue pour euh, euh, d'ici ce soir vraiment pour faire pour soulager Mais les que les des ouvrages projet notamment à Darussalam d'Extension, où nous étions ce matin. Les habitants sont fortement impactés par les Tout à fait. Ce sont des événements, des faits que nous avions déjà anticipés. Par exemple, partout où il n'y a pas de réseau de, drainage euh, plus ou moins adéquat et approprié, les sapeurs-pompiers sont en, appui pour, avec, en renforçant les capacités de pompage. Et vous les avez vus depuis ce matin, ils étaient avec nous. Euh, tous les euh, chefs et les brigades et les équipes des sapeurs-pompiers sont là, mobilisées et sont en train de faire un travail remarquable sur le terrain. Les autres équipes de l'administration publique, sous la coordination du, préfet de Kermassar, mais également des autres sous-préfets de là où nous sommes passés, sont également à pied d'eux. Et partout où il n'y a pas de réseau, on renforce la capacité de pompage pour soulager les populations, notamment libérer les rues et les quartiers des eaux. Et une fois que c'est fait, quand l'eau baisse dans les espaces publics, nous avons aussi dans ces quartiers mobilisé les jeunes, les citoyens que je remercie et que je félicite pour leur contribution et leur appui. Nous leur avons donné des motopompes et on va continuer à en donner. Avant l'hivernage, nous avons réussi à mobiliser beaucoup de, motopompes et c'est aussi l'occasion de remercier les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous ont donné ces appuis. Lorsqu'on a eu les difficultés à Touba et que nous avons lancé un appel à la solidarité, à la contribution des entreprises au titre de leur responsabilité sociétale des entreprises, sont venus vers nous, qui pour donner une dizaine, qui pour donner même des centaines d'électropompes et de motopompes, ce qui nous a permis d'en distribuer à Touba, à Kaulak, à Birkilan, à Kafir, à Louga, à Fatih, partout on en a donné. Aujourd'hui, euh, c'est une cinquantaine que nous avons déjà mis à Dakar. J'ai demandé qu'on en ramène parce que euh, pas besoin d'en laisser dans les magasins si on en a besoin euh, sur le terrain à travers les équipes. Simplement, ce qui va changer, c'est que ces motopompes passent par les préfets et les gouverneurs là où il faut, qu'ils les donnent aux populations avec des émargements en prenant les contacts et en les identifiant, parce qu'après l'hivernage, ces pompes seront reprises, nettoyées, maintenues et stockées quelque part pour attendre encore d'autres occasions. Il n'est plus question qu'on prenne du matériel et qu'après un hivernage, on les perd. On va tout reprendre pour les garder à bon, euh, euh, de bons endroits, sécuriser pour pouvoir les utiliser encore une fois. Merci beaucoup.